sommes vendredi 6 décembre 2024. Chères auditrices et auditeurs, bonjour à vous. Ravi euh, de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Les Niger sur Kalangou. Je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et avec moi ce matin Samira Rouafi pour la présentation. Bonjour Samira. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, Dieu merci. Alors on passe aussi notre salam à ceux qui assurent de l'autre côté des coulisses. À la technique, nous avons à à Tchambiano et à l'édition Adama Dawaki. Quel est le programme du jour eh bien, Samira, comme d'habitude, il y a le flash d'information pour débuter, de la bonne musique, ensuite une musique 100% nigérienne d'ailleurs, du loti avec euh, le desk femme du studio Kalangou, le sport avec notre chroniqueur sportif de, du jour, bien évidemment, Adam Sariou de la culture linguistique, sans oublier la revue de presse qui est présentée chaque vendredi. Toujours dans ce menu, c'est nous, dans la rubrique invité du jour, nous recevons Maman Lawali Amadou Abdelkader, membre de l'association AJN 2000, Association des jeunes de Niamey 2000. Pour l'écho des régions, nous restons à Niamey aujourd'hui pour parler du port du bonnet traditionnel appelé Hula en langue Hausa. Eh bien, chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour une heure de divertissement et d'infos. Sans trop tarder, euh, chers auditeurs, voici le flash d'infos avec Rafika Attaer. Bonjour Rafika. Bonjour à tous. Eh bien, le, ministre, le mystère entourant la disparition de Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen et figure de la société civile, a pris fin hier. Selon les dernières informations, il se trouve en garde à vue au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée de Niamey. Les charges retenues contre lui incluent des accusations, à savoir l'apologie du terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État et son association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme. La 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, ouvre ses portes ce 6 décembre 2024 au palais du 29 juillet de Niamey. Pour cette édition prévue se tenir du 6 au 15 décembre 2024 et placée sous le signe de la propriété intellectuelle et de l'inclusion financière, c'est la région de Difa qui est mise à l'honneur. Comme région phare, Difa dévoilera au public ses richesses culturelles et artisanales uniques. Hier, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Sofiane agaïcha s'est rendue sur les sites retenus pour accueillir les événements. L'objectif était de constater les derniers préparatifs sur le site à quelques heures de cet événement. À l'issue de ces visites terrain, la ministre Guichen a déclaré que les préparatifs sont en bonne voie et qu'ils sont prêts à accueillir cet événement majeur qui, selon elle, marquera un tournant pour le secteur de l'artisanat et pour le pays pays tout entier. Le salon réunira 250 exposants venus de plus de 20 pays d'Afrique. Et enfin, à l'international, la quatrième édition du Forum de l'initiative verte saoudienne a débuté le mercredi 4 décembre 2024 sous le slogan Par nature, nous prenons l'initiative. Le premier jour du forum a été marqué par l'annonce de cinq nouvelles initiatives d'une valeur totale de 225 millions de riels saoudiens, soit 60 millions de dollars américains. Compte tenu de la valeur totale des investissements atteignant 188 milliards de dollars, américain les 86 initiatives en cours dans le cadre de l'initiative verte saoudienne continuent de réaliser des progrès significatifs dans l'atteinte des objectifs des trois conventions de Rio. L'initiative verte saoudienne représente un pilier fondamental pour atteindre l'objectif du Royaume de construire un avenir plus durable pour tous en réduisant les émissions, en luttant contre la désertification et en protégeant les écosystèmes naturels. Et voilà pour le dernier numéro de la semaine. Merci bien, Rafika. Bon week-end à toi. Merci, Samira. Alors, euh, comme annoncé tantôt, nous recevons aujourd'hui comme invité Maman Lawali Amadou Abdelkader, membre de l'association AJN 2000. Oui, Samira, une association qui a mis en place euh, un comité de veille et de patrouille communément appelé en langue euh, Yambanga, voilà, pour accompagner les autorités dans le cadre de la lutte contre les vols et agressions auxquels euh, les habitants du quartier Niamey 2000 font face. Bonjour Kader. Bonjour Seno. Ça va bien Ça va. Alors avec vous, ce matin, nous allons parler de cette initiative de votre association. Mais avant d'attaquer nos échanges avec notre invité, écoutons d'abord euh, le premier titre de notre sélection musicale d'aujourd'hui et nous avons choisi pour vous Medegonga de Mama Kassé. On écoute. Thank you. Oui, cher auditeur, Mede Gonga est le titre de cette chanson que vous êtes en train d'écouter. Un morceau hein, très très époustouflant avec un mélange des différents instruments locaux. Très agréable à écouter, n'est-ce pas, Samira Oui, personnellement, j'adore surtout le son de sa flûte qui donne une couleur de vie en zone nomade. Voilà, chers auditeurs, euh, vous venez euh, d'écouter euh, le morceau "Made Gonga de Mamar Kassé. Tout à l'heure, on l'annonçait, nous sommes dans cette émission avec Abdul Kader, membre de l'association AJN Nyame 2000. Alors, Abdul Kader, quelles sont les raisons qui ont conduit AJN 2000 à mettre en place le comité d'Ambanga Primo, les raisons qui ont poussé l'association à penser à cette initiative, c'est qu'il y a tellement d'agressions au début, surtout c'est une association des jeunes et également il y a beaucoup des étudiants qui s'y figurent au sein de l'association. il y a plusieurs plaintes en ce qui concerne les camarades qui viennent dire qu'ils ont été agressés, ils ont été agressés. C'est pourquoi l'association avait réfléchi en ce sens voir dans quelle mesure amener, c'est-à-dire un élan, un élan, c'est-à-dire euh, d'aide à l'endroit de ses camarades et à l'endroit de la population, ils ont pensé à cette initiative de mettre en place le comité d'Ambanga. Mais avant cela, ils ont demandé au chef traditionnel Megari, il a donné son avis. Et on est parti également au niveau du commissariat. Nous avions fait des papiers, on nous a demandé de faire des papiers, on a fait également avec l'avis du commissaire. Il a donné, il a donné l'autorisation, mais avec ça, là, il y avait une structuration des choses, puisqu'il faut structurer, il faut beaucoup miser, surtout sur la vigilance de qui doit figurer dans ces comités, qui ne doit pas figurer. Mhm. Alors, euh, depuis euh, combien de temps les habitants du quartier Niamey 2000 sont confrontés à des problèmes de vol et d'agression En tout cas, c'est une situation qui dure longtemps. Mais ces derniers temps, vraiment, il y a eu un recul par rapport à l'agression et surtout au vol dans les quartiers. Des fois, il faut te réveiller pour que tu te rends compte que ta moto n'est pas là. Mm. Ou bien on ouvre la voiture, on enlève la batterie, ainsi de suite. En tout cas, beaucoup de choses qui se perdent. Mm. Mais ces derniers temps, avec l'aide des dieux et l'aide des autorités aussi également, en fonction de ces comités de Dambanga, les vols euh, on trouve du recul. ok, d'accord. Euh, Kader, tout à l'heure, vous avez parlé euh, de la structuration de, votre comité qui a été mis en place. Pouvez-vous nous expliquer comment le comité euh, d'Ambanga est structuré et organisé Le comité est d'abord présidé par un membre de l'association. Également, il y a des jeunes qui font les arts martiaux, ceux qui font les taekwondo, autres également ils sont intéressés aussi c'est des intellectuels ce n'est pas n'importe qui on a choisi pour amener, et, même pour les mettre. On a pris leurs papiers, on a amené au niveau euh, de l'autre cirité pour prendre leur index, prendre les informations et aller se rendre jusqu'au niveau de leur famille pour se renseigner, pour avoir tout ce qu'il y a comme nécessaire pour, en ce qui l'information avant de leur permettre de siéger dans ces comités. après cela, on a mis des cartes à leur disposition c'est-à-dire des cartes qui peuvent faire en sorte que même lors des la patrouille, quand ils vont se rencontrer avec euh, la police qui font ces patrouilles, ils peuvent s'identifier à travers les cartes. Voilà, c'est bien. Et combien de membres sont, euh, composent ce comité et comment sont-ils euh, organisés Parce qu'on sait que souvent dans les quartiers, les jeunes font des fadas pour s'asseoir, pour surveiller le quartier. Est-ce qu'ils sillonnent le quartier ou bien ils s'arrêtent à un point stratégique pour voir si tout va bien Bon, vous savez, c'est des zones zones. Par exemple, quand vous prenez à cette console le côté gauche de Niamey 2000 et des fois les autres, ils circulent. Ils circulent en groupe 4-5, ils circulent, ils le les quartiers. Il y a d'autres aussi qui font les fadas. Mais du côté droit, et la plupart, puisque c'est des grandes voies, ils font des fadas. Mhm. Et des fois, l'association met en place euh, un peu l'été, la question d'Ignabé à leur disposition mhm. pour accompagner la nuit, au fait. Et c'est un peu ça. Et est-ce que vous avez une idée des nombres que l'association regroupe comme membres L'association a 23 membres. Hmm. L'association en tant que elle a 23 membres. Hmm. Ok. Et quels sont les horaires et les, les horaires de patrouille pour euh, les les, les horaires de patrouille, c'est la nuit à partir de 22h. Des fois, la FARA est déjà mise en place. Et des fois, ils se relèvent même. Il y a d'autres, quand peut-être dans la matinée, quelqu'un est censé d'aller au travail ou bien à la fac, ou bien à la fac, il vient, bon, la nuit, il ne se tarde pas. Mais c'est là qui, dans la matinée, ils n'iront pas au travail et ils vont rester des fois jusqu'à 5 heures. Mm. Jusqu'à 6 heures même des fois, puisque des fois, il y a d'autres même, c'est à 5 heures, ils sortent. Mm. Lors de la prière pour accompagner les camarades qui quittent leur chez pour se rendre au niveau des arrêts de bus, puisque mm. la plupart souvent, c'est en ce moment-là, on les agresse sur des motos. Mm. Pour prendre leurs biens, les téléphones, leurs sacs, tout, tout, tout, des fois, on les prend. Vous avez parlé également du fait que vous étiez au niveau du commissariat pour échanger avec eux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre collaboration avec euh, les forces de l'ordre En tout cas, avec les forces de l'ordre, on a une parfaite connexion, puisque jusqu'à présent, depuis la mise en place de ce comité, il n'y a jamais eu des situations en ce qui concerne un malentendu autre ou vis-à-vis d'un seul membre qui y figure dans le comité d'Ambanga. Pourquoi Puisqu'ils arrivent à se comprendre. Et, même le comité d'Ambanga, tout, tout qu'il est, il y a un dirigeant qui est censé les piloter en dehors du membre de l'association qui est là devant. Et euh, ils ont aussi leur délégué qui, quand il y a des situations, on transmet à son niveau. Et lui, il part, il fait le compte rendu au niveau du commissariat. Hmm. Alors, euh, j'aimerais avoir euh, euh, une chose. Est-ce que lorsque vous venez peut-être de prendre un voleur ou quelqu'un, un agresseur, vous l'amenez à quel niveau Au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie C'est à quel niveau concrètement vous amenez ces personnes-là Est-ce que vous avez déjà l'habitude de prendre des voleurs ou des agresseurs Oui, on a l'habitude de prendre des agresseurs surtout les agresseurs là, quand, surtout, mais les voleurs qui rentrent dans les maisons, quand on les prend, on l'attache au niveau d'un poteau du courant, on l'attache et on l'arrête. Il faut la matinée que tout celui qui passe pour l'identifier, voilà, il est là. En ce temps-là, on ne le frappe pas, on l'attache bien et la matinée, on le conduit au niveau du commissariat. Même si c'est un habitant du quartier Même si c'est Même si c'est, excusez-moi du terme, c'est une personnalité du quartier quand elle, est prise, euh, c'est-à-dire en flagrant, on l'attache. Il faut que tout le monde met ses yeux sur la personne pour connaître, voilà, c'est cette personne qui fait tel acte, tel acte. Ce qui fait en sorte que c'est là ça qui dit Même si c'est lui qui a l'intention de faire, quand il voit ça là, il va avoir un esprit de recul par rapport à ça. <laughs> Super. Merci bien, Kader. Dans cette première partie, nous avons retenu que vraiment ce comité, il aide beaucoup les étudiants qui quittent euh, leur maison euh, très tôt à 6 heures pour les arrêts de bus pour éviter de se faire agresser aussi les gens du quartier ont la quiétude et sont vraiment tranquilles parce que les jeunes sont là avec la FADA pour euh, essayer de veiller à leur euh, sécurité. Allons pour la revue de la presse avec euh, Nafisa Sirfo avant de revenir pour la seconde partie de notre échange. Bonjour Nafisa. Bonjour Samira, bonjour Seno. Bonjour. Alors Moussa Tchangari, figure de la société civile en garde vue après euh, son arrestation, nous apprend à Info. En effet, selon l'association Alternative Espace Citoyen, l'information leur est parvenue hier jeudi 5 décembre 2024 aux environs de 16 heures. Le secrétaire général de l'association est en garde à vue au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée de Niamey. Moussa Tchangari a été retrouvé en garde à vue après avoir été enlevé le 3 décembre 2024 24 à son domicile à Niamey par des hommes armés en tenue civile. Selon un communiqué de son organisation, Tchangari a été transporté dans un lieu inconnu avant d'être transféré au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée le 5 décembre. Le défenseur des droits humains et acteur clé dans la lutte contre la corruption au Niger, Moussa Tchangari a été enlevé à son domicile et qui, par des hommes qui ont également confisquer ses appareils électroniques selon un proche de la victime. La famille de Changari a été placée sous surveillance, ce qui a conduit Transparency International à dénoncer, je cite, un abus de pouvoir et à tenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, organe militaire au pouvoir, pour responsable de tout préjudice à l'encontre de Changari et de sa famille, rapporte à Info. Son avocat qui a pu le rencontrer et a rapporté les charge à lui reprocher qui sont entre autres apologie du terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État et association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme. Plusieurs organisations de défense des droits humains exigent la libération immédiate de Moussa Tchangari qui est une figure de la société civile engagée dans la lutte contre la corruption et pour la démocratie, conclut Info. Nefissa, cette fois-ci, euh, éducation, les syndicats lèvent leur mot d'ordre de grève après un accord avec le gouvernement, titre Actu Niger. La dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation ainsi que la coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle ont annoncé tard dans la nuit du mercredi 4 décembre 2024 la levée de leur mot d'ordre de grève prévu les 5 et 6 décembre. Cette décision officialisée dans un communiqué conjoint avec le ministère de l'Éducation nationale fait suite à, plusieurs jours de négociations au cours desquels le gouvernement a pris des engagements ferme pour répondre aux revendications. Le gouvernement s'est engagé à prioriser le secteur de l'éducation dans les recrutements dès 2025, à reprendre le paiement des rappels sur salaire et des incidences financières. Le préavis de grève déposé le 29 novembre 2024 portait sur une plateforme revendicative comprenant entre autres des recrutements de la fonction publique, le paiement des rappels sur salaire et la mise en place d'un cadre de négociation structuré. Les pourparlers engagés dès le 2 décembre sous la présidence de la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth shérif ont permis une analyse approfondie de ces revendications. Et retenez que ces discussions se sont ensuite prolongées au cabinet du Premier ministre Ali Mahamal Lamirzen qui a porté des clarifications sur la non-réalisation des recrutements prévus pour 2024, invoquant des contraintes budgétaires. Enfin, un comité interministériel sera opérationnel avant la fin de décembre 2024 pour examiner en profondeur les revendications de ces syndicats et trouver des solutions durables rapporte à Actu Niger. Enfin, selon Issoufou Chérif, porte-parole de la dynamique des syndicats, bien que la grève ait été annulée, des assemblées générales d'information seront organisées aux dates initialement prévues pour expliquer la teneur du communiqué conjoint et de maintenir un dialogue ouvert avec les bases syndicales. Nafisa, 13e édition du SAFEM à présent, tout est fait prêt pour accueillir l'événement, dit euh, le ministre de l'Artisanat, nous informe l'agence nigérienne de presse AMP. En effet, Samira, c'est ce vendredi 6 décembre que s'ouvre la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, placé sous le thème Promouvoir la priorité intellectuelle et accélérer l'inclusion financière des femmes artisanes. La ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agrichataghichen, s'était rendue hier sur les sites retenus pour accueillir les événements de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme qui se tiendra du 6 au 15 décembre 2024 à Niamey. L'objectif est de constater les derniers préparatifs sur les sites à quelques heures de cet événement majeur du palais du 29 juillet à l'Académie des arts, puis au niveau du Centre international de conférences Mahatma Gandhi, suite retenue pour l'ouverture officielle. Toutes les fin prêt rapporte la même source. Je me réjouis de constater que toutes les infrastructures sont en place et que les travaux avancent à un rythme soutenu, a ajouté la ministre qui a annoncé qu'ils ont déjà reçu les premières délégations, notamment les hôtes du Burkina Faso et du Mali et d'autres délégation continue d'arriver. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler l'importance de ce salon qui réunira plus de 26 pays et offrira une plateforme unique pour la promotion des femmes artisanes, a-t-elle précisé. Et pour rappel, le SAFEM a été initié en 2000 afin de promouvoir les produits artisanaux fabriqués par la femme et pour la femme et de doter le Niger riche en artisanat d'un cadre de promotion et d'écoulement des produits artisanaux Afrique. Et c'est la fin de cette euh, revue de presse. Bonne suite à vous. Merci infiniment, Nefisa. Euh, Nefissa. Chers auditeurs, poursuivons nos échanges avec euh, notre invité du jour, Abdulkader. Je rappelle qu'il est membre de l'association AJN 2000. Alors, Abdulkader, avez-vous reçu des formations ou un encadrement de la part des autorités Non, sincèrement, non. Puisque je vous ai déjà dit, au début, les gens qui ont été prises pour euh, initier cette activité, beaucoup d'entre eux déjà ont pratiqué les arts martiaux. Donc ils peuvent se défendre eux aussi. Mm. Mais en réalité, ils n'avons pas reçu une formation à l'endroit de l'autorité ou bien des forces de défense en ce qui concerne cette initiative. Puisque nous-mêmes, nous avons eu l'idée. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de plantes à notre niveau, beaucoup de camarades viennent, ils disent ils ont été agressés, ils ont été agressés. On a pris leur téléphone. Des fois, il y a d'autres qui viennent saignant au niveau des arrêts. Les habitations chauds Donc, nous, nous avions pensé qu'à notre niveau, c'est ce que nous pouvons amener comme contribution à l'endroit de cette jeunesse même que nous sommes en train de représenter. Mhm. C'est pourquoi nous avons y pensé à changer à cette initiative. D'accord. Depuis la mise en place euh, de Mbanga, avez-vous constaté une diminution des vols ou des agressions dans les quartiers, surtout euh, les plaintes par rapport aux étudiants en tout cas, nous avions constaté beaucoup de recul en ce qui concerne les agressions. Mhm. Puisque ces derniers temps, il y a d'autres même qui sont un peu lions. à leur demande de se réunir en groupe 4-5 mhm. pour sortir. Quand ils viennent ensemble, deux personnes ou trois ne peuvent pas les agresser. Mhm. Donc le fait qu'ils viennent ensemble, ça diminue aussi le risque d'être agressé ou bien d'être, en tout cas, je ne sais pas comment les qualifier. Et également, en ce qui concerne les liés, surtout les grandes voies, mhm. ces derniers temps, il n'y a pas d'agression. Et surtout, c'est dans ce genre de moment aussi qu'on doit renforcer cette activité, puisque c'est un moment de froid, beaucoup de, beaucoup de personnes ne sortent pas. Mhm. Et ce qui fait en sorte que, et aussi les malfaiteurs, ils profitent de cet instant pour agresser les quelques-uns qui sortent. Hmm. Alors, euh, Abdelkader, euh, quels sont les retours des habitants du quartier sur cette initiative En tout cas, ils l'apprécient beaucoup. Mm. Ils beaucoup. Il y a même d'autres, c'est-à-dire qui ont un peu les moyens, qui appuient l'association par rapport à cela. Ils donnent quelques sous. Pourquoi j'ai dit ils donnent quelques sous Parce qu'il y a ceux qui aident à ce qu'on arrive à alimenter les fadas, comme je l'ai dit, avec les thés, des fois avec les riz un peu, mm-hmm. pour les accompagner. Mm. Mm-hmm. Super. Alors, euh, quelles sont les principales difficultés que ce comité rencontre actuellement Actuellement, les difficultés, puisque au début, il y a cette question de méfiance. Hmm. Il y a des fois même les gens du quartier, surtout les personnes un peu, quand ils les rencontrent, elles aussi n'ont pas confiance en eux, pensant qu'elles aussi, ils sont des, agresseurs. <laughs> Ce sont des voleurs, ils sont là pour arracher leurs biens. Hmm. Mais de temps à autre, nous avons pensé il faut des fois, c'est même ceux qui sont dans le quartier de la zone qui ont été sélectionnés, ce qui a fait en sorte qu'on ait facilement cette confiance mhm. entre la population et ceux mêmes qui sont en train de mener l'activité. Parce que dès que tu sors, tu vas voir, il y a un frère parmi eux, ou bien il y a une connaissance. Donc, automatiquement, tu auras un esprit tranquille, puisque tu sais que voilà, c'est une connaissance et tu comprendre la raison pour laquelle ils sont là. Hmm. Alors, Kader, euh, on, est presque à la fin de nos échanges. Alors, une dernière question. Avez-vous des messages euh, ou des appels à lancer aux autorités ou euh, aux partenaires pour mieux appuyer cette initiative En tout cas, les, appels ne manquent pas. Le premier appel que nous voulons lancer à l'endroit des autorités, c'est de prendre cette responsabilité une fois de plus, la considérer pourquoi je l'ai dis Puisque quand, pas au niveau de Niamey 2000 seulement, s'ils arrivent à mettre en place les patrouilles, surtout des heures comme 4h, 5h, 6h, qui y a beaucoup de commerçants, c'est à cette heure-là ils sortaient. Mhm. Et il y a beaucoup des étudiants, ils quittent leur chez à 5h du matin pour se rendre au niveau des arrêts de bus. Mhm. En tout cas, s'il y a la patrouille, personne, en tout cas surtout les malfaiteurs, ne peut pas accepter de faire la même voie avec la patrouille. Mhm. Dès qu'ils le voient, c'est des personnes ou bien c'est des organisations qui ne militent jamais ensemble. La patrouille de la police et aussi les malfaiteurs. Donc s'ils arrivent à mettre en place beaucoup et multiplier les patrouilles, je pense qu'il y aura beaucoup de recul en ce qui concerne cela. Et nous demandons aussi aux populations de faire plus de confiance et de continuer à donner leur confiance à l'endroit de cette association, puisqu'elle est là pour les représenter, et sans elle, il n'y a pas d'association. Et c'est cette association qui permet aussi à amener leur voix là où ils ne peuvent pas aller. C'est l'association qui part, elle revendique ce qu'il faut faire pour le bonheur du quartier. Merci euh, bien euh, Abdelkader d'avoir répondu présent à notre invitation et nous te souhaitons vraiment une excellente journée. Merci également. Merci infiniment. On prend une pause, on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous venez de prendre cette émission en cours, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la réécouter sur notre site web le www.studiocalango.org. Sinon, c'est l'heure de passer à la rubrique hebdomadaire. Oui, Samira, nous sommes vendredi, nous allons parler entrepreneuriat. Exactement, c'est nous, situé dans le 4e arrondissement de Zender, le groupement féminin Boban Sarari Baba Sarari a débuté ses activités il y a plus de 20 ans. Au fil du temps, ce groupement est devenu une référence en matière de transformation agroalimentaire dans la région de Zender. Maria Massale, présidente du groupement Katotu, est interrogée par Zara Bouka. eh to wannan gurfuma kin tamu da tun da fari sunanta gurfuma babban sarari ita babban sarari ta kai kimanin shekara 25 haka ita tuhu kaman reshen babban sarari ce aka ka tuhu a jikin babban sarari kaman menene tarihin ta ita wannan wannan gurfuman kin kamar mata ne masu guzari mata ne suka hada kansu da kansu suka ma kansu shawara aka kawo wannan gurin cika ga wannan asusun wannan ake shiga ake huta aka kulle wannan gurfi makin wannan babban sarari kuma daga baya da ta yi babban sarari ta yi sanyi kuma aka yi katuhu a jikin babban sarari gurfi makin yanzu dai aiki da muke yi mun kai kamar mu goma sha biyar ne muna aikin hannu muna sarrafe sarrafe muna yin dage muna yin wasa wasa eh, muna yin kuskus ta wake muna eh, kuskus ta dawal gona muna ji na waro muna ji na mangwaro muna ji na citta muna ji na dan kuka duka muna sassarrafa su komi da komi muna garin dan wake kuma muna garin kose niƙaƙƙe bushashe a ina kuke saida. to muna saidawa a cikin gurfuma in za a yi muna kaiwa kayan mu kuma akwai wanda suka san kayan mu suna aikowa suna siye kaman zuwa agada su duka akwai masu siye daga nyamai ma akwai masu aikowa suna siye siyan kayan mu wanda muka haɗu da su a buwar suka yi ciniki a gurin mu suka sai kayan mu suka ci suka ji ingancin su in suka je kuma suna amsar lambar salula su yi kira su ce suna son irin wannan kayan da muke in mun sarrafa a aika musu muna tanadawa in muka hudda jari aka hudda abin da ya kamata a ba masu aiki sauran kuɗi kuɗi ana sa su a cikin kes ana ajiya to a ganin ku kamar miye muhimmanci wannan gurfuman da kuka buɗe wani irin ci gaba ya kawo muku a rayuwar ku na mata eh to kin san akwai ci gaba kwarai da ko ba komi ma yanzu gashi nan kuɗi ne aka tattara aka zuba ba tare da an taɓa kes ba na kes daban kuma a tattara a ba mutum guda kamar zaman fendi ce ya je ya yi jari ko ya kashe wutar gaban shi ko kuma in yana da wata matsala ta shahe mishi kin san shi kan shi ma wannan babban ci gaba a wani buri da kuke so ku cimma kwarai kuwa muna so mu cimma gurinmu abin da muke yi da hannu muna so in mun samu proje ta kama mu ya zamanto wannan gurin a ce da inji ma muke aikata aikatan wannan ba da hannu ba muke yi Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire. Poursuivons cette fois-ci avec euh, une autre balade en musique et voici pour vous le morceau Beywa, une chanson signée MGM Crew. sayana dama baban legani ne naku eh. malam biyo ne ka sha tarbo yan eh, uba masu bakin ciki na ce me yasa kuke kallo na shekaru ɗaya bayan ɗaya eh, na ce me yasa kuke bayana kunye kunye ku kan ni kasa na ce me yasa kuke ke gata baba mai sama ya bambewa yanzu Mes oui, chers auditeurs, ce morceau euh, est une véritable démonstration de talent. Hein très très très très costaud. Le groupe MGM Crew nous rappelle à quel point le don pour la musique peut transformer la vie d'un artiste et l'amener à créer des œuvres qui résonnent profondément avec ceux qui les écoutent. Un vrai chef-d'œuvre qui montre que la passion et le don peuvent vraiment redéfinir l'industrie musicale nigérienne. Voilà, après cette euh, belle sonorité musicale, chers auditeurs, restons à Niamey pour euh, l'écho des régions, n'est-ce pas, Samira Oui, c'est nous. Dans la société nigérienne, le port du bonnet appelé Hula Langa Hausa est considéré comme un signe d'honneur et de responsabilité. Celui qui le porte inspire également le respect. oui, par contre, pour euh, d'autres personnes, comme les jeunes, porte le bonnet comme euh, un accessoire pour la beauté de leurs habits. Notre reporter euh, Moutari Mahamadou s'est intéressé à ce sujet. Suivons son reportage. Saka hula al'ada ce da ta daɗe musamman ga waɗansu al'ummomi a Afirka ya zama tamkar cikar kamalar mutum ne da mafi galibi manya suke saka hula a waɗansu wurare. Sai dai idan aka ɗauki misali birnin Yamai ba sabai kake gani matashi ya saka hula ba, amma yanzu matasan sun fara rungumar wannan al'ada wasu kuma don cikar kwalliya ne suke saka hula. Babai wani matashi ne a nan Yamai ya tabbatar da matsayin darajar hula a gunsa Hula tana da matukar mahimmanci sosai a gare ni da kuma sauran 'yan uwa matasa. Saboda hakan ne ma yasa kaga yanzu matasa suna yawan sa hula. A da matasa ba su damu da sawar hula ba. Ɗaya daga cikin mahimmancin hula shine kariyar rana kuma tana kara ma mutum daraja. To duk wankan da na yi da hulan da nake sa masa. da na dora kan sai ta yi daidai kai idan na hutu ba hula ai ba daɗi na sa hula sai in ji lafiya lau huluna sun bambanta kuma kowace da kalar farashinta a cewar lawali mai sana'ar sayar da hula a nan ya yamai hulunan kala kala ne akwai tangaram ita ce babban hula akwai kinde sannan akwai yan maiduguri ita ma kube tana daga cikin nau'i na huluna akwai jaddara ita ce wannan jar hula akwai wata hula kuma wadda muke kira minista to sai wannan hula da ta shigo ta zamanin nan wata hula da kake ganin yanzu yara suna sa matasa mai adandana na mai kyalli to ita muna ce mata raba gardama inda hula za ka sa tun daga dala ɗari abinda har ya kai ta shiga hamsin kana samu musamman shi mai sa hula in ta kwarai ko noma yana iya Musa Abdu wanda dattijo mai sana'ar wankin hula ya ce kowane zamani da irin ƙalubalensa amma duka da haka a cikin sana'ar wankin hula yake samun abin biyan bukatunsa na rayuwa. Ana dan samun bakin kokari alfa kai asiri. A wanke a goge ya walƙiya da heji ka ake amma yanzu mun sabki wata ma dala ɗari ake karɓa a kanta. Fula wannan in ba refa sai haka zaka sa mata goma ka buga ka karɓi dala arba'in a gare ta. A yanzu Janob sun fara dawowa suna ganin fula tana da mutunci. Ka san wannan ɗan refa sai ɗin da ake mata tana yar walƙiya suna kawo wani gamin sai kamar sallah ta to za a gani mutum ya kawo biyu uku amma yan samarin wanda suka rike mutuncin fula wanda zaka same iya da fula fiye da ashirin a shekaru da dama da suka gabata maza masu yawan shekaru ne suke saka hula amma yanzu manya da yara kowa yana amfani da hula Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. bien ce générique nous annonce le sport, chers auditeurs. Si vous venez de nous prendre en cours, ne vous inquiétez surtout pas, c'est l'heure du sport. Et notre chroniqueur sportif, Adam Sariou, est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Céline. Bonjour Adam. Adam, alors euh, nous sommes aujourd'hui à notre quatrième numéro des tours des régions avant le début de la 45e édition du Sabre national. Eh bien, prenons la direction Maradi, l'une des régions les plus titrées du pays avec 10 sabres remportés. À l'approche de la 45e édition du Sable national prévue à Dosso, les 26 lutteurs de la région, ici des éliminatoires de Gazawa, s'entraînent sans relâche pour décrocher leur place dans l'équipe finale. Entre ambition, tradition et suspense, autour de la participation d'Ebo Hassan, le ferveur populaire est à son comble, plongeant au cœur de cette préparation intense avec notre correspondant de la région, Mohamed Maman c'est dans une arène de lutte presque hermétiquement fermée que les lutteurs de Maradi poursuivent le Maison Vert. Ce mercredi soir, les 26 lutteurs s'affrontent dans des combats intenses où la rapidité et la fluidité des enchaînements sont mises à l'épreuve. Même Sani Aboubakar, dernier vainqueur de la Coupe RT de Zender, n'est pas épargné par cette préparation rigoureuse. À l'étang, il nous explique les détails de son entraînement. Voilà, Ce ne sont que les entraînements, mais il faut passer par là pour s'habituer et surtout devenir résistant. Nous avons couru, fait des étirements, pratiqué la lutte, soulevé des quintaux, bref, beaucoup d'efforts. Rien que ce soir, j'ai fait plus de 450 pompes. C'est ce genre de travail qu'il faut pour montrer à l'entraîneur que tu es prêt et qu'il peut compter sur toi pour ramener des victoires. La région de Maradi nourrit de grandes ambitions pour cette 45e édition du SAP national à la hauteur de sa réputation, affirme le secrétaire général de la Ligue régionale de lutte, M. Manzo Mamoudi. Le 20 déjà, nous avons commencé la mise au vert des, lutteurs. Ça va se poursuivre jusqu'au départ. Cette préparation, en tout cas, nous l'amenons en tout cas avec beaucoup de, beaucoup de stratégie, beaucoup de tact et surtout beaucoup de détermination. Ce que vous avez, c'est des combats entre les lutteurs. Vous voyez, c'est les, les, grands lutteurs, ceux qui sont en train de s'affronter. Il y a des nouveaux. Et d'ici notre départ en cas, tous les lutteurs, chacun va croiser euh, son coéquipier. Vous voyez, les combats, ils sont âprement disputés et nous appliquons le nouveau règlement en vigueur qui va être en vigueur donc à Dosso. Ce soir déjà, j'ai invité nos deux habités fédéraux à prendre part à nos entraînements pour qu'ils puissent expliquer euh, le règlement à ces lutteurs-là. Quant à la question qui brûle les lèvres de tous les Maradawa, celle de savoir si Aibo Hassan, le chouchou des arènes de Maradi, participera ou non à cette édition, Manzo Mamoudi répond en ces termes. Le vice-champion, il a un rendez-vous avec son docteur pendant ce mois de, décembre-là et nous, nous attendons la confirmation donc de médecin pour qu'il nous euh, dise, qu'il nous précise s'il peut ou pas donc prendre part à la, la 45e édition du sable. C'est lui seul qui va confirmer cela. À l'issue de cette mise au vert, la région de Maradi sélectionnera 15 litres parmi les 26 pour représenter fièrement la région. Déjà, cet engouement est palpable avec des contributions diverses venant de la population pour soutenir cette représentation. Voilà, merci euh, Mohamed pour ce reportage. Euh, revenons au studio avec euh, Adam Sariou. Adam, cette fois-ci, on va parler foot. Un mot sur la Super Ligue nationale de football avant de clôturer ce dernier numéro sport, sportif, j'allais dire, de la semaine. Eh bien, c'est nous, l'AS Nigelec a bâti hier l'AS Police sur le score de 1 but à 0. Ce soir, le Liberté Football Club de Niamey jouera contre l'AS Douane à 16h au stade municipal de Niamey. Chers auditeurs, c'est tout pour ce dernier numéro de la semaine. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Merci Adam pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour. Oui, Samira, le portrait de ce vendredi euh, nous conduit à la découverte de Shaibou Mbadji. Voilà, ça, c'est un nom Hausa. <laughs> un enseignant à, la retraite, chers auditeurs. Il fit euh, ancien secrétaire général du syndicat des enseignants du secondaire, le SNEN. E une organisation syndicale qui représente les enseignants du secondaire au Niger. Écoutons son parcours dans cet entretien réalisé par Omer Dawi, rendu au studio par Aboubakar Sanda Nakale. Alors, euh, Dambaji, c'est un retraité qui est né en 1958 qui a eu la chance de fréquenter l'école mission publique, c'était des prêtres qui partaient dans les villages environnants, comme il n'y avait pas d'école, et ils sélectionnaient des jeunes pour les faire venir à Dogondouti où ils les fréquentaient et comme élèves, donc avec un régime d'internat. J'ai fait six ans à Dogondouti à l'école primaire. Après, j'ai fait mon premier cycle à Isabiri de 70 à 74 et le lycée Corombe de 74 à 77. Comme j'ai fait des études en série C, au m'a orienté et on m'a aussi programmé pour l'enseignement. Parce qu'à l'époque, après le bac, on programmait directement les étudiants pour les ministères. Donc moi, j'ai été programmé pour euh, le ministère de l'Éducation. Après ma maîtrise en physique-chimie, j'ai enseigné physique pendant au moins 25 ans. J'ai fait toute ma carrière au niveau de l'enseignement. Avez-vous une autre expérience professionnelle en dehors de l'enseignement J'ai eu l'occasion de travailler aussi avec les Américains, ce qu'on appelait les Piscor. Donc les pendant les vacances, euh, on partait à Hamdullah j'ai eu l'occasion de travailler avec eux comme professeur de, de Hausa et de français. Ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui a étudié chimie, qui a été professeur de physique chimie. J'ai travaillé avec eux jusqu'à leur départ. J'ai travaillé euh, comme enseignant toujours de Hausa avec euh, des étudiants qui venaient des États-Unis, d'une université de Boston. Je suis marié et père de deux enfants. Trois sont décédés, j'ai deux qui sont en vie. L'enseignement fait la différence au niveau des sociétés. Si vous investissez dans l'éducation, ça veut dire que vous vous pouvez euh, maîtriser aussi bien les sciences que la technologie. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté au cours de votre carrière Durant mon parcours d'enseignant, je crois que nous n'avons pas eu de difficultés particulières. C'est pas comme aujourd'hui. Vraiment, tout se passait dans les normes. Le salaire qu'on nous donnait n'était pas le salaire d'aujourd'hui, mais on parvenait quand même à vivre. Fondamentalement, c'est la stabilité. La stabilité à notre temps. Il n'y avait pas autant de grèves au niveau des écoles publiques. La preuve, toutes les élites que vous voyez là qui envoient aujourd'hui leurs enfants dans les écoles privées, mais elles ont fréquenté les écoles publiques parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux ou trois établissements privés. On vivait dans un région pratiquement d'internat, mais aussi l'environnement d'apprentissage était bon. On nous donnait des livres, tout ce qu'il faut, les bibliothèques étaient suffisamment garnies. En quelle année avez-vous intégré le syndicalisme Le syndicat, j'ai commencé très jeune. Depuis le mouvement scolaire, on était dans le mouvement syndical à l'université, mais dans le mouvement enseignant, première expérience était à mon premier poste à MEI en 1981. Donc, euh, on était les animateurs du syndicat d'enseignants et par la suite, j'étais à Agadez comme euh, faisant partie des animateurs. Mon message, c'est que il faut s'engager véritablement. On ne le fait pas que pour le salaire. Ça, c'est sûr que le salaire, c'est lui qui est la raison d'être de tout emploi. Mais euh, pour faire la différence, il faut, même si on a un diplôme universitaire, ce n'est pas ça qui fait la qualité sur le terrain c'est plutôt votre engagement personnel. Mais euh, malheureusement, aujourd'hui, nous relevons qu'il y a des difficultés objectives. Avez-vous un message particulier à adresser aux gouvernants L'appel, c'est que les gouvernants parlent de la qualité de l'enseignement. Ce n'est pas une vie de l'esprit. Il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir, dont entre autres la motivation des enseignants et puis aussi un bon environnement d'apprentissage. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, nos lycées, nos collèges euh, ruraux enseignent sans support pédagogique, notamment lorsque vous enseignez les sciences physiques, et les sciences de la vie et de la terre. Vraiment, si vous voulez convaincre, il faut nécessairement un support mon souhait le plus ardent, c'est que nos gouvernants vraiment s'y penchent pour que l'école nigérienne, notamment l'école publique, parce qu'aujourd'hui l'école publique semble être le parent pauvre des écoles. Si vous examinez les résultats au niveau des examens, vous allez voir que ceux qui ont eu les meilleurs résultats, ce sont les écoles privées. Mais ce sont des choses qui s'expliquent. Ce n'est pas que les enfants du privé sont plus intelligents que ceux du public, mais c'est plutôt le mauvais environnement d'apprentissage et surtout et principalement l'instabilité qui caractérise les années scolaires, les années académiques. Voilà, chers auditeurs, après ce portrait très inspirant d'ailleurs, bouclons notre playlist de ce vendredi 6 décembre 2024 avec le titre Poulot Debo de l'artiste El Damsero. C'est parti. Me gyal me need on. And I need pull on and yum. And I need pull on and yum. And I need a bone and yum. And I need a bone and yum. And I need pull on with you. I need you come. Zaligam, and I need pull on and I need pull on and you know. I really don't be put a medo. I said, I need what I know. I'm going on Candido, Allah. I did a look for Dinara. I want a yiki, a yiki, a kadane, you take. dai amai da ida amai fadi ma dai fadi ma fadi ma yadda daram ni diri mai adiri kan dan samini don abano tage kan o mi o kata kan o lata kan o yarna ta kan jar dan wuro ma kullum ai ai kullo dai Girl, me need them. And I need pull on, and I ni them. And ni need pull on, and I need ni And I ni them, and I need them. And ni need them, ni I need them. And I need ni on, me ni them. I need them, me need ni After I need them, ni I need pull on, and I need them. And I need pull on, and I need them. Damn, you see me on ni pull, pull, they need on die. Pull up, say me pull on. Birana, say ni pull on. Never night, Voilà, après euh, ce son pour le débo, c'est nous passons au lati du jour. À cause de certaines idées reçues, il y en a qui évitent de prononcer le pronom du bébé avant le baptême, qui est généralement célébré le septième jour qui suit la naissance. Écoutons à ce propos une discussion entre Karimi et Zainabou Abdou. assalamu alaikum burkul si windo worano wa alaikum assalam hey kero furo ninno wai wai wai wallahi hun kundun gai matin goy cora hmm, nisi babai amma ai nir koy sabu matano gogite monno ni funu zari sanko wora ai cora lela ko ardai nay funu bino a hai kulai koy ga barka hey woti labari hanno ni binde wani nu ni fatta zari sanko wora ga windi wodi woni gicimbu amma hunkun zaro hin ne gogore siga ga hekulte wadin se no ani to nem ko ga yi bo a ni gicim to ifo no ni do ise labari kunno si e jora amma ni be haifu ifo ki ai se me ayus irson zamani zai si siga faham daino ai siga faham fahaman dai ise ni di wato kan irgo ta bai han hinno igi sintin ga zanka ce dinga mayo koyin mu caba girbi iye hayyan wo bandani gate alhalira kan son za ku caka an dunyinu sun tinga ce dinga mayo ko mu bore su bai gidi gice bai su di. e ni oni go gidi kan hayo mante o me ai di yin woga bore him girna mai dir wani addina ganan a a kyoro wani wo manti kimino ni goga addina da na mai dan kyarra ai man faham mante addini no ganji im ce dinga mayo kalce ba hane dumo im goida ce ba hano wani manti kimino wadin seno a aine ni kan nigo ga addina da na mai dan kira ni bai kan ba bifu irna fa karawo te inda alfagafo aha to fahamin da ise mi ni bai arsilham tarayra igihin gazan ka mayo ke za a hawa na hayan wuga mm. igihin mo imke ba hannu sosorandi wani mo binde irkoi da su gin da halasi matabbata ga sunna no ne igihin ga kebaite girbi iya hani kan ina kukiya hai aya wala hadisi kulno sino kan gane imsi keba sosorandi agin gite hanfoyen borasin da noru kan ga fegyo dai ni ga baimo in ki kurana ra kan irkoi si hinga tinai kul da ke inga tamo bon kan a si hinga gere ya dingani di mm. igi hinga kebai sosorandi hal a mutunan kan boradu noru kan ga fegyo dai oh so hon faham ya dinga zagayen irwo ga haye don aha ni faham ni bai hal arsilam ga ka irna mai dirwana aladai gono wadin seno hanfoyin irga haye dan kyarra an kan sai a kanse ce ki ga faham aimir haye ka kyarga tondi don dai gwar funo wani yawan kulu manna yiga mare wadin seno aga bori bor mcinga kwara kwara <laughs> ai sabu kan naino nubon fere sanno bo da tali kyaro. haikan ai gihin ga sai dai noya to zaro go furgumu ai go koi to kiro nangai mindo Voilà, chers auditeurs, euh, c'était le loti du jour. Euh, dans ce studio, nous sommes euh, aussi accompagnés de Alamine Ouachar. Il est journaliste traducteur en langue tamashek au studio Kalangu. Il nous donne l'explication du mot esclavage. Esclavage, voilà. en français et en tamashek, n'est-ce pas, Lamine Ah, voilà, c'est nous, c'est nous, Maraka, qui est Samira, Rouafi, Daradia, Mokwazawantané, Mokwazitawan, Tofertan, esclavage. Esclavage, le manan est-il تلا دغين السنتا سلسلة وان الشنكولا انت اللي تندسام نوطة وان الشنجم اتصنع التمر وان دكوز انت توكز دغزل ندنيت التبلان التلا الهدف نزل وا ادي توفنس انو غان انتلا وين شين تلنين هروادا دنو نرك مقام وين توقينا يقادم هروادا اتن فاتات توقيتا استودو استودود هروادا دششغل نارا تو مدرونين دزيزلف نسن سشيل هروادا دكال نارا تو مدرونين دغا سدادا نيتيدن وين الصلخنين ورموسا آه، مشغل الحكم دغا دي تلا انت رغن الشوال زلالات تموسا ترى إيتاك إيتاك قويدن يين شيلات نتسك ناس داوس دي الله أدي لموزر مرن إلا داوس دادا كان دبا أوصي النغاس أدازيب ودغا دي إتاوى الناس داغين اكلو المؤسسة دغنا تمويناس انت درت بلن الدولتنا بلن درس قوارنا النيشر وين نتفنين باتوتين دغرت ويقلن اعجاز نشوف نقادم انت في توقع باتو انت لا دغدي سميرة روافي آه، كم آه، تسينو داوانا وداوان دي ويدا دغباتو تتقلت تفير تستاون نسكلافاش تموسد Merci bien, Alamine, merci. Je n'ai rien compris, mais c'était super. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication, n'hésitez surtout pas à envoyer un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et oui, écoutons ensemble les messages vocaux que nos auditeurs nous ont envoyés, Samira. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. a gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen su da suke wallafawa kuma kaman abubuwan gaskiya suna burge mu fi kuma gaskiya kaman labaran da suke sa kuma haka nan ne eh kaman nan garin gaskiya ban mu kaftan su dole mun shiga kaman internet muna so su karfafa satellite su a nan garin difa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaskiya studio kalangu muna jin daɗin shi domin muna samun labarai na nisa da na kusa daga nan cikin nijar gaba ɗaya ƙauyuka da birane kuma da na nisa wanda yake ƙetare duka muna iya samun su sutu abin da ya shahi labarai na karkara komi da komi muna samun labarin su alhamdulillah muna jin daɗin studio kalangu musamman da suka sauƙaƙa muna ana iya samun application kinshi ta hanyar social media duka kana iya samun labarin su ba tare da ka sha wahala ba a nan difa to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ni ma dai gaskiya a matsayina na dan difa gaskiya studio kalangu sai mu ce musu alhamdulillahi alasan barka sai dai karin eh, bayani da zan yi muna so kamar yadda in muka kunna su mu dinga jin su rangada daudin nan to wannan abu yana ƙara samu nishaɗi kuma shirye-shiryen su gaskiya babu na yaddawa ko da baka jin yare yaren da ake yi ma wani lokaci ni ka gani a cikin yarurrukan da suke baya wuce yare biyu ne nake ji amma duk shirin zan shurare ko da ban na jin yare saboda daɗin abun da nishaɗi da yake bani kuma ina ma yan garin mu na difa gaisuwa na fatan alkhairi da wannan damana da muke ciki kuma ubangiji Allah ya samu ƙarshen ta lafiya wallahi ina sauraron shi da lokaci dai yayi na sauraron kalangu ana yin buzanci ana yin hillanci ana yin hausa ana yin zabarmanci ana yin horanshi walla duk an ga abu sai sun kare duk guda biyar sa anan in kashe radio na sa shirin sai ban taɓa sauraron shi ba amma shirin marice wannan ba bari na duka sai na sauraron su duka da muhawara insha Allah walla kuna waye mutane kai kware ni ce mai sauraron radio kalangu shi na birge ni to wanda za ku gaidawa duk ina gaida masu journalist inan duka masu abin reportage in radio kalangu da na Hausa da na zabarmanci da na hillanci da na horanshi don zamar man duk ina gai da kowa da kowa kuma ni mai sauraron ku ce ɗari bisa ɗari. Kuna sauraron shirye-shiryen studio kanangu? Muna nan ga sauraron su. Wanne shirye-shiryen kuke saurare? Shirye-shiryen karfe biyar zuwa shida. Wani shirin ya ƙayatar da ku? Shirye-shirye suna ƙayatar da mu musamman dai labaru da muka ji. da wanda da musai ba muna towa da gare. Kuna karuwa da su kuna samun wayewa? A muna samun wayewa gaskiya. Ina gaida um, ma'aikata ne na tambara kalangu

Nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Vous étiez en compagnie de Samira Wafi et Ali Monkaila Ouseni alias Seno. Oui. C'était euh, un immense plaisir de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Rendez-vous et pris pour la semaine prochaine, n'est-ce pas Seno Tout à fait, Samira. la technique, c'était Mustapha Ayuba et l'édition a été assurée par la grande dame Adama Dawaki. Chers auditeurs, restez à l'écoute euh, pour euh, nos programmes du soir à partir de 17h. Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Bon début de week-end à toutes et à tous. Bye bye.